le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum d'Istudio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Istudio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes disponibles également sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Studio Kalangou a pour thème baisse du taux de réussite au BEPC 2019. 19 cause, impact et solutions. Le ministre des Enseignements secondaires Mohamed Sanoussi El haj Samoro a proclamé jeudi 15 août 2019 les résultats définitifs du brevet d'études du premier cycle BEPC. Sur les 150 692 candidats inscrits, 146 525 se sont présentés. 10 557 ont été déclarés admis à l'issue des épreuves du premier groupe et 30 5806 à l'issue des épreuves du second groupe, soit un total de 46 363 admis et un taux global de réussite de 31,64% a annoncé Mohamed Sanoussi El Hadj Samoro. Au niveau des filles, 19 619 sont admises, soit 29,61% du taux global de réussite. Le taux de réussite des candidats libres est seulement de 16,89% contre 33,64% pour les candidats officiels, a conclu le ministre des Enseignements secondaires, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre pourquoi cette importante chute du nombre des admis, quels sont les impacts que cette baisse peut avoir pour la poursuite des études des élèves, mais aussi tenter de voir quel dispositif mettre en route pour éviter le gouffre. Pour ce faire, nous avons dans ce studio à Amarzak Adam, directeur des examens et concours au ministère des enseignements secondaires. Amarzak Adam, bonsoir. Bonsoir. Alio Hassan Samna, membre du conseil d'administration de la coalition des ONG, associations et syndicats du secteur de l'éducation pour une éducation pour tous à ce EPT. Alio Hassan Samna, Bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Moussa Adamou, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire ISNES e Niger. Moussa Adamou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. monsieur le directeur, Amarzak Adam, quel enseignement peut-on tirer des examens du BEPC 2019 euh, Merci euh, le studio Kalangu pour euh, l'opportunité que vous offrez vraiment au ministère pour avoir une certaine visibilité et de communiquer par rapport à ses activités quotidiennes et surtout par rapport aux examens qui sont en fait aussi une évaluation du système les résultats des examens là. Ça nous permet, si vraiment on fait en sorte que l'analyse soit approfondie, c'est tous les systèmes qui est évalué. Donc, euh, à travers ces résultats-là, nous, à chaque fois, nous nous remettons en cause. Ceux de cette année encore plus, parce que bien que l'année, apparemment, se soit vraiment bien déroulée, on était quand même surpris du résultat que nous avons obtenu. Nous, vraiment, au niveau du ministère, on s'attendait à un résultat euh, beaucoup plus euh, important. Mais nous nous sommes retrouvés avec euh, ces résultats là que nous tentons vraiment d'expliquer par plusieurs raisons. Moi, je trouve que, comme on a, on a discuté, parce qu'on discute chaque jour par rapport à ces résultats au niveau du ministère, nous avons essentiellement deux ou trois raisons qui expliquent ces résultats-là. D'abord, nous avons la situation des élèves qui nous viennent de la base. C'est-à-dire que ces élèves-là, si vous remarquez au niveau des, des commissions redoublement exclusion, là, vous avez parmi les élèves qui viennent en sixième, un tiers passe, un tiers redouble, un tiers est exclu. Donc, l'une des premières raisons, c'est vraiment la situation de ces élèves-là qui nous parviennent euh, à partir de la base. Donc, au niveau de la base, il y a un gros travail à faire pour vraiment faire en sorte que ce résultat-là soit acceptable. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous avons la situation en classe. Au niveau donc de nos établissements, euh, nous avons euh, des professeurs qui ne sont pas vraiment formés à enseigner. Donc ça, c'est le second problème, peut-être sur lequel on va euh, disserter après, parce que dans les, solutions, on va, on va revenir là-dessus. Donc troisièmement, c'est peut-être l'environnement dans lequel évoluent ces, ces élèves-là, au niveau donc de, de la sixième jusqu'en troisième. Donc, euh, le, cadre environnemental, les infrastructures, tout ça là, c'est un cadre normalement qui doit permettre aux élèves de bien travailler afin d'avoir des bons résultats. Donc, il y a aussi des choses à dire par rapport au cadre environnemental, les infrastructures, tout ça là. Elles sont insuffisantes. Il y a des établissements où on a une pléthore donc d'élèves dans les classes, ce qui n'est pas propice à l'enseignement-apprentissage. Donc il y a beaucoup de facteurs, mais on peut avancer ces trois-là qui sont pour moi vraiment les, facteurs majeurs. Monsieur le directeur, est-ce que les perturbations des années antérieures ne peuvent pas avoir des conséquences négatives sur les différents résultats des examens Bien sûr. Donc euh, effectivement, nous avons connu ces perturbations-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est durant tous les cycles qu'il faut expliquer la situation donc des résultats là. Si les élèves ne font pas une bonne classe de sixième, si on s'en tient au collège quoi, une bonne classe de sixième, cinquième, quatrième, évidemment en troisième, on n'aura pas de bons résultats. Et surtout que il y a dans certains établissements, il y a des, des élèves qui ne font pas certaines matières pendant près de deux à trois ans. C'est seulement en troisième ou en quatrième qu'ils les font. Donc, euh, vous avez tous ces aspects-là. Donc, selon vous, monsieur le directeur, les examens du BPC ne se préparent pas seulement en troisième, Non, ils se préparent durant tous les cycles. D'ailleurs, c'est avant. Vous avez, par exemple, au niveau des épreuves, vous avez des questions, par exemple, qui peuvent relever des classes inférieures, qui peuvent se retrouver au niveau des épreuves de, l'examen. Mais depuis qu'on a constaté que vraiment même le programme de, de la classe de troisième n'est pas maîtrisé, n'est pas fait à 100%. Donc on s'en tient uniquement à la classe du troisième. Alors que normalement, le brevet, il évalue tous les cycles. C'est brevet l'enseignement du premier cycle, du secondaire. Monsieur le directeur, dans quelles conditions se sont déroulés les examens du BPC au Niger et qui pourrait expliquer cette euh, baisse de réussite Non, en fait, pour ce qui est des déroulements, vraiment cette année, les examens se sont bien déroulés on dirait vraiment, puisque on n'a pas eu, par exemple, l'année d'avant, on a eu des cas de tricherie, des cas de fraude, mais cette année, on n'en a pas eu vraiment, on n'a pas eu connaissance de ces cas-là. Donc, normalement, la manière dont les examens se sont déroulés doivent faire en sorte que les résultats soient vraiment euh, probants, soient importants. Meilleur. Oui, meilleurs à ce que l'on a eu cette année. Malheureusement, donc, euh, ce n'est pas le cas. Monsieur le directeur, les résultats des examens du BPC ne font que dégringoler, si on peut le constater, d'année en année. Qu'est-ce qui ne marche pas concrètement Bon, je dirais que dégringoler, oui, mais ça va en dents d'ici. C'est-à-dire qu'on a constaté depuis la création du ministère, par exemple, des enseignements secondaires, une année ça marche, l'année suivante ça dégringole. L'année qui vient, ça monte encore et bon, nous, on a d'autres explications. On a des explications qu'on donne. Par exemple, si tu prends 2014, euh, je, n'ai pas les chiffres avec moi, mais l'année 2015 a eu un taux supérieur. Parce que en 2014, il y a eu donc euh, toute cette euh, communication avec la Halcia, donc qui a fait que, qui a fait que donc il y a eu beaucoup de rigueur. Hein. Donc les résultats ont été moindres, mais après il y a eu beaucoup de redoublants. Donc ces redoublants-là, en travaillant, ils ont rehaussé un peu le taux l'année suivante. Et l'année d'après, ça a chuté encore. Ça va en dents d'ici. Hein. bon, Ces deux dernières années-là, c'est resté pratiquement un peu autour de 30%, vraiment, ce qui n'est pas, pas intéressant. Monsieur le directeur, est-ce que cette baisse du taux de réussite ces dernières années ne doit pas interpeller l'ensemble des acteurs du système éducatif nigérien oui, euh, bien sûr que ça interpelle. Le gouvernement, euh, les syndicats, les enseignants, les parents d'élèves. Ça va interpeller tout le monde. Comme l'a dit le ministre lors du lancement des, des épreuves, là, il dit que vraiment l'école, là, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, ce n'est pas l'affaire du ministère, des, ministères en charge de l'éducation. Non, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est pourquoi nous avons ces, ces partenaires-là qui sont, que vous avez invités. C'est parce que justement, c'est tout le monde qui doit mettre du sien pour que l'école marche. Moussa Adamou Dissinex, les épreuves du BPC étaient-elles euh, difficiles à aborder par les élèves Merci Mouktab. Je ne me mettrai pas à la place des élèves pour répondre à cette question, mais je vais adopter une posture professionnelle euh, en me prononçant euh, sur la nature des épreuves et sur les, éventuelles difficultés que les élèves pourraient avoir. Donc, pour nous, les examens du, du BPC, c'était euh, comme le DTL l'a dit, c'était déroulé normalement et que euh, le BPC est, un diplôme qui doit évaluer tout un cycle. Et qu'aujourd'hui, des facilités sont même accordées aux élèves au point où c'est uniquement le programme de troisième qui est évalué. Normalement, on devrait s'attendre à ce que les élèves qui se sont sérieusement préparés pour affronter ces épreuves au cours de l'année puissent réussir. Mais notre surprise est grande que qu'on se retrouve avec un taux de 31,64%. Euh, il aurait fallu peut-être au moins avoir 50% pour qu'on euh, sente un peu de, réconfort moral. Donc pour nous, les, enseignants, nous qui avons passé toute l'année en train d'enseigner, en train d'exercer ses élèves pour affronter les, épreuves, le résultat est décevant parce que ça ne reflète pas les efforts que les enseignants fournissent matin et soir. Et même lorsque les enseignants sont en grève, c'est aussi une des causes, je ne veux pas l'ignorer, Hmm? Même lorsque les enseignants sont en grève, certains s'arrangent à revenir les soirées ou bien les jours non ouvrables pour, faire, des de cours de rattrapage. Donc, ces épreuves étaient vraiment, euh, euh, euh, cette année, contrairement à d'autres années passées, aucun enseignant n'a décelé des sujets hors programme ou des, parties hors programme. Donc, je, me, dis que c'est vraiment à leur portée. C'était à la portée des élèves. C'est eux qui, certainement, n'ont pas fourni, pu fournir les fonds nécessaires au cours de l'année pour se préparer conséquemment à réussir. Monsieur le SG, mm. Moussa Adamou, mm. comment expliquer cette baisse récurrente des résultats du BPC au Niger Il faut déplorer cette situation. Au lieu que nous accusions le gouvernement, les parents d'élèves, les, parents d'élèves, enseignants, tout le monde, les enseignants, il faut que des cadres de ce genre-là se créent pour que nous puissions en discuter et pour que nous puissions échanger. Et en dehors de, monsieur le de, ce qu'il avait, évoqué comme cause, il y a la non-exécution intégrale des programmes en troisième. Mais cette année, il y a eu quand même une accalmie pouvant permettre le bon déroulement euh, du programme scolaire. Euh, vous, semblez oublier l'épisode de, euh, la grève, l'épisode de la grève des élèves au cours de la, lorsque le ministre avait pris la décision d'interdire les cours de rémédiation. Les cours étaient sérieusement perturbés à à cette période-là et ça a eu certainement une influence sur la qualité des résultats. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que des enseignants, dans le cadre de la revendication de leurs droits, ont observé des mouvements de grève. Hein. Ça aussi, il ne faut, pas, les négliger. Donc ce n'est pas tant le calme précaire qui a prévalu au cours de l'année qui justifie notre attente de bons résultats, mais c'est aussi de voir que durant l'année, tout n'était pas aussi rose qu'on puisse le penser. Tout n'était pas aussi rose qu'on puisse le penser. Parce qu'il y a eu des situations de flottement, Hein? beaucoup d'enseignants qui faisaient les cours de remédiation, ces cours de remédiation qui étaient destinés à des élèves du secondaire, des élèves du public, du privé, même à des candidats libres, ces cours étaient totalement supprimés, totalement interdits. Et les élèves n'ayant pas bénéficié de cela, il est tout à fait normal que ça ait une incidence négative sur euh, leur euh, leurs résultats. Monsieur le SG Moussa Adamou, beaucoup d'observateurs euh, pointent du doigt mm. la baisse du niveau des élèves et même des enseignants. Oui, oui, la baisse du niveau, ça concerne aussi bien les enseignants que les élèves. Il faut pas se voiler la face. Ces derniers temps, le phénomène de la contractualisation a fait en sorte que le ministère a recruté des agents qui ne sont pas qualifiés pour donner les enseignements de qualité. Mais je me dis que le problème est compensé au niveau de, euh, des classes d'examen, précisément en troisième, à partir du moment où la latitude est donnée aux directeurs de CEG ou de cesse de prendre les dispositions pour que les enseignants de qualité interviennent en troisième pour un meilleur encadrement. Donc, pour, du côté des enseignants, nous reconnaissons qu'il y a certains qui n'ont pas le profil requis pour pouvoir enseigner. Et certains, même en étant sur le terrain, ils ont les yeux rivés ailleurs parce qu'ils ont à l'esprit de quitter l'enseignement dès que de nouvelles conditions vont se créer. Du côté des élèves également, il, y a ce problème que ces élèves ne se préparent qu'au dernier moment. Euh, euh, souvent, le dernier, au dernier mois, le, ou bien ils attendent en tout, cas, en tout cas en avril ou en mai pour pouvoir se préparer. Donc là, cette préparation euh, impréparation-là, elle influe sur la qualité des résultats. Et ça, c'est souvent au vu aussi de tous les parents. Vous voyez votre enfant qui est en troisième, il passe toute l'année en train de prendre du thé devant la maison, à veiller devant la maison sans apprendre ses cours. Et ce n'est qu'à l'approche de l'examen que nous, les parents, nous essayons de prendre nos responsabilités pour dire, bon, dans, un mois, tu auras, le BPC à passer, donc il faut, il faut aller étudier. Or, un programme qui s'est déroulé sur 6, 7, voire huit mois, on ne peut pas l'assimiler dans toutes les matières en très peu de temps. Alio Hassan Samna d'Asso EPT. Depuis l'an 2000, chaque année, la coalition des ONG, associations et syndicats du secteur de l'éducation pour une éducation de qualité pour tous, AsoEPT mène des actions de plaidoyer en faveur de la qualité de l'éducation au Niger. Qu'est-ce qui ne marchait pas finalement Bien, merci Mokhtar, merci Studio Kalangu pour l'opportunité que vous offrez vraiment aux structures organisées dans notre organisation, à savoir ASOEPT, afin que nous puissions nous prononcer sur une question aussi importante que celle-là. Et euh, vous l'avez bien dit, depuis 2000, au niveau de notre organisation ASOEPT, euh, notre combat, euh, c'est sur deux fronts. Pouvoir faire en sorte que l'éducation au Niger soit une éducation pour tous et également une éducation donc de qualité. Et à ce niveau de 2000 à cette année, euh, nous pouvons dire qu'au niveau de notre coalition, euh, nous ne sommes pas euh, satisfaits par le simple fait que quand vous regardez le résultat de ces dernières années, plus, précisément le résultat de cette année, où nous n'avons pu arrêter que 31%, et 31% d'admis, cela sous-entend que nous avons encore plus de 60% donc d'élèves qui se retrouvent ou exclus ou certains qui vont reprendre. Ceux qui vont reprendre encore, ils ont de la chance de pouvoir se corriger. Mais vous voyez, 60%, au niveau de notre coalition, nous estimons que euh, le résultat n'est pas bon, ce n'est pas bien, et nous pensons que comme les deux euh, intervenants avaient bien dit ça à travers le directeur et le SG, et nous pensons que la réussite euh, serait de pouvoir nous retrouver au moins à 50%. Donc au niveau de la coalition ASSO-EPT, vous voyez, nous sommes très très très loin donc de nos de donc, ça Veut dire que la qualité n'y est pas, la qualité de l'éducation. Oui oui oui, vraiment maintenant eh, il faut le reconnaître. Personne ne peut dire qu'il y a la qualité. Il n'y a pas la qualité. Lorsque eh, en fin d'année on évalue qu'on n'arrive même pas à atteindre 50%, eh, ça veut dire que il n'y a pas la qualité. Et vous avez vu encore pire quand on regarde les résultats, et les résultats qui ont été proclamés officiellement à travers le ministère. Et au niveau donc des filles, on constate que euh, qui doivent, puisqu'on sait qu'au Niger, euh, la population féminine est plus importante que la population masculine. depuis un certain temps, l'accent est mis sur euh, l'éducation, surtout la scolarisation des, jeunes filles. Des, jeunes filles. Vous voyez, à ce niveau, donc, je voudrais simplement dire que quand on regarde le résultat global, le résultat donc, des filles est beaucoup plus bas, hein, hein, moins de 30%, 29%. Donc, vous voyez, donc, ce sont vraiment des paramètres sur lesquels, au niveau de la coalition ASSO-EPT, nous pensons que nous allons continuer à attirer l'attention du gouvernement et de ses partenaires afin que nous puissions relever ce niveau. Vous savez, au niveau des l'ASOEPT, EPT, et c'est des actions de plaidoyer et de lobbying que nous menons. C'est de rappeler au gouvernement, voilà ce que nous avons constaté et ce qui a été, été fait, les manquements, et pouvoir demander au gouvernement et à ses partenaires d'améliorer afin que nous puissions aller au niveau donc, euh, donc de, ces deux, de ces deux choses qui sont extrêmement importantes pour nous et pour tout le Niger. Vous voyez quand l'État investit des milliards et des milliards et qu'on se retrouve avec 30%, nous pensons que vraiment, ce n'est pas une fierté pour le Niger, ce n'est pas une fierté nationale. C'est un problème que nous avons sous le bras qu'il va falloir euh, relever. Et un problème, puisque au niveau, de, au niveau donc, e vous voyez, euh, nous faisons une analyse beaucoup plus, beaucoup plus profonde que ça. La qualité, pour dire que vraiment, nous constatons que nous sommes très, très loin de la qualité. Regarde au niveau du ministère des enseignements secondaires, l'effort qui a été fait. Le ministère est parti jusqu'au niveau, donc, euh, jusqu'à 7%, 7 sur 20 pour repêcher. Vous voyez, on est loin de la qualité. Et avec tout ça là, nous sommes à 30% donc, euh, donc de l'effectif de candidat. Donc vous voyez, au niveau de la coalition à ept nous pensons que notre devoir serait de continuer donc à faire des actions de plaidoyer, à examiner les problèmes avec nos partenaires et voir comment pouvoir rehausser le résultat au niveau donc du BEPC. Je voudrais également dire que nous, au niveau de la coalition aso e les paramètres sur lesquels nous avons, que nous avons examiné où nous pensons que le gouvernement et ses partenaires devront faire un effort par rapport à ça, euh, c'est premièrement, voir les ressources le député n'a pas parlé de ça. Vous savez très bien que le BEPC, ça fait des années que l'effectif des candidats ne fait qu'augmenter. Alors que la masse qui devrait, et même, je voudrais dire, l'argent qu'on devrait mettre, l'enveloppe, devrait également suivre. Mais malheureusement, l'enveloppe ne suit pas. Le nombre d'élèves augmente, euh, l'enveloppe ne suit pas. Le budget, de façon générale, au niveau donc, de l'éducation, il faut que le gouvernement puisse faire l'effort vers l'éducation. Vous voyez, même quand vous prenez l'engagement pris par son Excellence, le président de la République, d'octroyer 25% n'est pas encore atteint. Nous continuons toujours à tourner à peu près moins de 20%, alors que les 25%, c'est l'engagement du président de la République et le gouvernement devrait, à travers l'Assemblée nationale, faire l'effort de pouvoir atteindre au moins les 25% ou à côté des 25%. Sinon, au niveau de la coalition à ce EPT, c'est de pouvoir amener le gouvernement à voter au moins ces 25% pour permettre au ministère en charge de l'éducation de pouvoir fonctionner. Nous sommes conscients que sans assez de ressources, il serait difficile de pouvoir avoir la qualité. Vous voyez, non seulement nous voulons la qualité, mais si nous ne mettons pas les ressources, comment pouvons-nous atteindre la qualité Hassan il n'est pas rare de constater des élèves passer toute l'année devant les écrans de télévision, à regarder des séries sur Facebook. Est-ce que tous ces paramètres ne peuvent pas avoir des conséquences sur la baisse du niveau des oui, élèves Oui, tout cela, puisque c'est pour cela qu'au niveau de la coalition ASOEPT, nous faisons les plaidoyers. Et en dehors des plaidoyers, nous faisons également des séances de sensibilisation, de formation. Et ces séances de sensibilisation, c'est vers ces parents d'élèves, effectivement. C'est vers les élèves, c'est vers la communauté vers les enseignants, vers les décideurs, de façon à ce que chacun comprenne que le système éducatif est tel que personne ne doit se mettre en marche. Tout le monde doit ramener dans le même sens. Pas de contre-courant de façon à pouvoir fragiliser l'effort fourni par les uns et les autres. Et je voudrais continuer à dire que, vous savez, au niveau de la coalition nous nos actions le pas, j'ai dit vers, vers les ministères, où chaque fois quand nous avons l'opportunité, nous parlons en disant que le résultat, euh, c'est les élèves, euh, c'est les enseignants. Et quand on parle d'enseignants au niveau donc d'un établissement, c'est le premier responsable. Et vous ne pouvez pas l'ignorer que maintenant, malheureusement, depuis un certain temps, les nominations au niveau des postes de responsabilité, que ce soit les censeurs, que ce soit euh, les proviseurs, vous ne pouvez pas être nommé si vous n'avez pas quelque part des relations politiques. Alors on sent qu'il y a quelque part une certaine politisation. Et nous, notre objectif au niveau de l'ASSO-EPT, c'est de pouvoir amener le gouvernement à pouvoir faire des nominations totalement objectives où on n'aura pas besoin, on va nommer les gens qui sont capables pour, qu'ils puissent vraiment, véritablement encadrer et pouvoir faire le résultat. Parce que quand le premier responsable même a des difficultés, alors comprenez et êtes d'accord avec nous que le personnel tout, tout tout ensemble, va, se retrouver dans des situations. Or, au niveau donc de la coalition, nous pensons que euh, c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à faire de façon à ce qu'un bon jour, qu'on arrive à ce que on ne nommera que celui qui sera capable. Et en dehors de la nomination, vous voyez, il y a encore une difficulté au niveau donc euh, des enseignants. C'est ce phénomène de contractualisation. Tant que nous allons continuer à avoir un système pris en otage, je veux le dire, parce que pris en otage, parce que quand l'essentiel est contractuel, quand le gros lot est contractuel, alors contractuel n'est pas forcément mauvaise formation, mais ça veut dire quelqu'un qui n'est pas tellement motivé. Et quand vous avez des... Parce que l'enseignement, c'est un corps où il faut qu'il y ait des enseignants, il faut qu'il y ait un personnel engagé. Il faut que ce soit des gens engagés. Lorsque vous n'êtes pas engagé, alors vous ne pouvez pas réussir votre tâche ça sera difficile. Et moi, j'étais, contrairement à certains responsables syndicaux, lorsque le ministère avait pris sa décision de suspendre les cours privés au niveau du public, moi, j'ai fait partie des gens qui ont soutenu le ministère. Je trouve que ce n'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas, c'est une aberration. Je trouve que c'est, moi, c'est mon point de vue. C'est le, le, point de vue également de, de notre organisation. Nous estimons que nous, nous voudrons une éducation de qualité, mais gratuite, pour tous. Mais si il faut que ceux qui ont l'argent seuls puissent avoir accès à ces cours pas, et ceux qui n'ont pas d'argent, ça veut dire qu'ils n'auront pas euh, droit à ça. Donc c'est pourquoi au niveau donc de la coalition ASSO-EPT, y compris ces paramètres, sont des choses que nous continuons à faire et nous continuons également à faire des plaidoyers par rapport à un aspect qui a été déjà évoqué par le directeur, les infrastructures. Il faut, il faut le reconnaître. Nous ne pouvons pas mettre des lunettes de bois pour ignorer la réalité. Nous en avons encore besoin d'infrastructures. Le problème y est, il faut qu'on réfléchisse à ça. Nous, nous allons continuer à faire des plaidoyers. Dans la recherche de ressources complémentaires additionnelles au niveau de la coalition ASSO-EPT, nous avons même eu à faire à un certain moment des propositions au gouvernement pour dire au gouvernement, mais écoutez, nous avons des institutions qui doivent investir dans l'éducation. Quand vous prenez les compagnies euh, de téléphonie. voilà, merci beaucoup. Les compagnies de téléphonie, nous disons que les gens, les gens ramassent des milliards et des milliards, mais qu'ils injectent un peu, qu'ils créent. Combien de classes peuvent-ils construire C'est prévu, mais les gens ne le font pas. Et le gouvernement, qui devrait les amener le faire, le gouvernement ne le fait pas. Et or, nous, nous continuons à rappeler pour dire que, mais c'est des engagements. Mais écoutez, voyez-les. Il faut qu'ils mettent la main dans la poche. Il faut qu'ils donnent l'argent pour que donc, euh, euh, nous puissions vraiment régler le problème. Parce que si à tout temps nous devrons croiser les bras et attendre, dire qu'il faut que le gouvernement trouve l'argent, nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de, suffisamment de ressources. Et tant qu'il n'y a pas suffisamment de ressources, alors ce qui est certain, nous ne pouvons pas avoir la qualité. Or, au niveau de la coalition ASSO-EPT, nous estimons qu'il faut que nous atteignions cette qualité. Et pour cela, nous allons continuer à faire notre travail de plaidoyer eh, de façon à ce que ces ressources puissent être mobilisées. Monsieur le directeur euh, Amarzak Adam, euh, quelles sont les innovations apportées et les difficultés rencontrées cette année Bon, j'avoue que euh, je ne sais pas, par rapport aux innovations, pour que les, résultats soient meilleurs. Alors, au niveau donc du ministère, effectivement, il y a euh, un certain nombre donc euh, d'actions euh, qui ont été envisagées. comme l'a dit notre camarade de Asso EPT, l'important vraiment c'est la qualité. Quand la qualité y est, on peut prétendre vraiment à des bons résultats. Or, pour l'instant, vraiment, ce n'est pas le cas. Donc, le ministère envisage déjà, par exemple, euh, comme euh, on a parlé de la baisse des niveaux au niveau des élèves et au niveau des enseignants, entre parenthèses, je voulais dire que euh, notre pays, là, il est, il est dans la même situation que les autres. Hein. Nos élèves, là, il y a eu une étude récemment qui a été euh, financé par euh, notre partenaire de l'UNICEF par rapport à notre système au niveau du secondaire. Et cette étude a révélé que vraiment, nos enfants-là, ils ne sont pas différents des autres. Hein. C'est la même chose. Ils ne sont pas cons. Hein. Donc, s'il y a baisse des niveaux au niveau de nos élèves-là, ce n'est pas directement lié à eux, à ces élèves-là. Il y a, a d'autres facteurs externes qui font en sorte qu'il y a baisse des niveaux. Et, la même étude a malheureusement révélé un certain nombre de choses. Donc, nos enfants, ils sont comme ceux des autres, comme les Burkinabés, comme les Béninois, comme. Euh, les Ivoiriens. Euh, oui, même chose, hein, c'est la même chose. Seulement, l'étude a révélé qu'ils ne sont pas euh, autonomes. Nos enfants ne sont pas autonomes. C'est-à-dire ils attendent toujours de l'aide de quelque part. Ils ne peuvent pas, à partir d'eux-mêmes, s'assumer pour affronter l'obstacle. Et, et, aussi, autre révélation de cette étude-là, c'est qu'ils ne sont pas, ils sont pas très honnêtes, quoi. ils ne sont pas sûrs d'eux. S'ils sont en train de faire quelque chose là, ils ne le font pas en âme et conscience. Ils hésitent beaucoup. Ils hésitent. Ils ne sont pas sûrs. Voilà, ça c'est des choses vraiment qu'il va falloir euh, corriger. Et cette étude, c'est un grand pédagogue. Hein très reconnu qui a mené cette étude-là au Niger. Et je pense que les résultats ont été présentés au acquis des droits. Et donc ça, c'est des aspects. Vraiment, c'est pour dire que nos enfants, là, ils ne sont, pas, ils sont pas cons. Hein. C'est à nous de faire en sorte que on les amène là où euh, ils doivent aller. Et ça, ça passe par aussi les, enseignants. Donc au niveau du ministère, euh, normalement, l'année qui va venir là, il y aura une évaluation de ces enseignants-là. Ce sera une évaluation différente de celle qu'on que, a, a connue au primaire. Ce sera une évaluation en classe des enseignants. Parce que euh, nous nous sommes dit au ministère, là, la qualité, c'est quoi C'est lorsque le message vraiment arrive à passer entre l'enseignant et l'élève. Et ça, on ne peut le découvrir qu'en situation de classe. C'est en classe qu'on peut savoir si vraiment l'enseignant est capable de faire passer le message à l'élève. Donc c'est pourquoi on a vraiment opté pour une évaluation en classe. Et à l'issue donc de cette évaluation-là, on va voir qu'est-ce qu'il faut apporter à ces enseignants-là, puisqu'ils ne sont pas vraiment des, des enseignants formés pour enseigner. Hein? Et notre erreur au Niger, c'est qu'on se dit toujours que dès que tu as un diplôme un peu supérieur, tu peux venir enseigner. Mais l'enseignement, c'est comme n'importe quel métier. Il faut avoir la vocation. Il, faut, avoir, il faut l'apprendre d'abord. Il faut savoir le faire d'abord. Hein? L'enseignant qui n'est pas formé là, c'est comme si tu donnes un, bus, des élèves dans un bus pour quelqu'un qui n'a pas son permis. Où est-ce qu'il va les amener C'est un gros risque. C'est la même chose. Donc c'est la même chose. Un enseignant qui n'est pas formé là, tu lui donnes 60 élèves là, il ne va pas les amener à bon port. Mm. Donc c'est pourquoi on s'est dit, bon, voilà, au niveau du ministère, on va faire cette évaluation-là. Et on, connaît, on a vraiment l'objectif que les enseignants à qui on peut apporter une certaine aide à travers des formations, on va les faire. Donc c'est ça l'objectif, vraiment pour améliorer la qualité. Voilà, ça c'est un des aspects. Donc il y a, y a, bien d'autres aussi, d'autres actions qui étaient déjà en cours, qui vont vraiment continuer. Par exemple, la formation des enseignants sans formation, la, formation pédagogique, on les rapporte, euh, tout ça, là, ça va continuer. Donc ça, c'est un des aspects en termes d'innovation pour vraiment faire en sorte que l'enseignement-apprentissage se déroule bien et qu'à la fin, on ait de bons résultats aux examens. Monsieur le directeur, vous êtes aussi parent d'élèves. Quelle peut être la contribution des parents d'élèves euh, pour euh, rehausser la qualité de l'éducation au Niger oui, notre problème au Niger, c'est que beaucoup de nos parents d'élèves aussi ignorent beaucoup euh, les bienfaits de l'école, l'importance de l'école. Donc c'est pourquoi, comme il l'a dit là, les volets sensibilisation là, il faut, il faut vraiment jouer là-dessus pour amener les parents. Parce que Internet, là, il y en a partout. Hein. En Côte d'Ivoire, là, ils ont aussi Internet, ils ont WhatsApp, ils ont tout. Mais ils s'en sortent bien par rapport aux, examens, par rapport aux études. Donc il y a autre chose. C'est pourquoi donc vraiment le côté sensibilisation là, il faut aussi vraiment faire en sorte que beaucoup de parents adhèrent. Et ça c'est vraiment le, premier qui va le faire, c'est le gouvernement. C'est lui qui doit vraiment entraîner la population à faire en sorte que vraiment l'éducation soit une préoccupation de tout le monde. Et après maintenant il y a les partenaires qui peuvent vraiment aider. Donc vraiment, c'est ça. Pour les, les, parents, c'est la sensibilisation, c'est vraiment les apporter à adhérer donc, au système. Donc le Niger a, le, président de la République a, opté pour une éducation gratuite. Vous savez, au Niger, c'est le seul pays où on donne des fournitures aux enfants, les bics, les cahiers. Dans toute la sous-région, là, il n'y en a pas. Hein. Même ailleurs, il n'y en a pas. Un pays où on donne des cahiers gratuitement aux enfants. Donc ça veut dire que le gouvernement fournit des gros efforts. Vraiment des gros efforts. Il fait des gros efforts. Et malheureusement, comme l'a dit euh, notre camarade là, on investit beaucoup, mais à la fin, on n'a pas les résultats qu'il faut. Donc vraiment, il y a vraiment de, il faut, euh, je pense qu'on doit s'arrêter quelque part pour voir vraiment euh, de fond en comble ce qui se passe et trouver vraiment les bonnes solutions. Moussa Adamou, quels pourraient être les impacts euh, de ces mauvais résultats pour le Niger Moussa Adamou, quels pourraient être les impacts euh, de ces mauvais résultats pour le Niger Il faut dire que au sortir de la classe de troisième, jusqu'en troisième en tout cas, c'est un tronc commun, et qu'au sortir de la classe de troisième, une fois le BPC obtenu, ce sont les différents euh, secteurs de la vie du pays qui seront alimentés par ces élèves désormais admis au BPC. Nous dirons que les élèves qui sont orientés, les élèves qui souvent ont 7 sur 20 de moyenne euh, au BPC, qui sont orientés au lycée, ils sont incapables de tenir. En seconde, on ne peut pas entrer en seconde avec 7 sur 20, espérer arriver en terminale. Et même si on arrive en terminale, dans quelles conditions Donc déjà, on prépare un mauvais taux de réussite au bac. Et ou bien, en tout cas, on prépare un, taux de redoublement assez élevé ou d'exclusion assez élevé. L'enseignement professionnel aussi en souffrira pour la simple raison que dès que euh, les élèves admettent au BPC, il y en a qui s'orientent euh, par l'aide des parents, qui s'orientent directement, en tout cas qui s'inscrivent directement dans des écoles de santé, euh, par exemple. Alors, ça veut dire que on risque de former des agents de santé aussi défaillants. Donc ça, c'est des impacts auxquels il faut, il faut négatifs auxquels il faut s'attendre. Ce qui nous inquiète, c'est la qualité des hommes que nous sommes aujourd'hui en train de former. nous avons des élèves admis au BPC euh, ces dernières années qui n'ont vraiment pas le niveau et qui ne fournissent pas l'effort nécessaire pour se remettre à niveau. Ça, c'est la faute à la fois des élèves et de leurs parents qui sont censés les accompagner. Or, il se trouve que souvent, vous avez même la complicité des parents, de certains parents qui se laissent guider par les choix délibérés de leurs enfants. Certains parents savent très bien que leurs enfants ne peuvent pas tenir dans telle ou telle école, mais ils se permettent de les inscrire. Donc l'échec ici, il est inévitable. Notre système éducatif, il mérite d'être repensé. Et ça mérite qu'on forme des hommes qui vont répondre aux défi du développement que nous espérons à la longue. L'examen, c'est un peu euh, l'occasion pour jauger les capacités réelles des candidats pour éventuellement les orienter dans des, dans des, secteurs où ils seront beaucoup plus performants. Nous sommes au regret de constater que beaucoup de ces candidats admis au BPC, au lieu de continuer pour faire des études supérieures, parce qu'ils <laughs> n'ont pas, ils pas le niveau, ils se déversent, ce n'est pas pour euh, banaliser les autres professions, ils se déversent dans, des concours de, la police, de la douane, etc. Euh, etc. Or, il faut encourager l'enseignement supérieur. Les élèves persistent pour faire le cadre du lycée et aller à l'enseignement supérieur. Tout le monde ne peut pas se, retrouver au niveau du cadre d'exécution. il faut aussi que les gens aient la, la vocation de devenir des cadres de conception. Aliou Hassan Samna, quelles seront les conséquences euh, de ces mauvais résultats pour l'État, les élèves, bref, pour l'école dans son ensemble Bien, Mokhtar, les premières conséquences, c'est quoi C'est que euh, nous allons retrouver les jeunes gens dans la rue. Or, euh, les jeunes devront être à l'école. Or, je me rappelle bien, un chef d'État disait que le Niger a des potentialités lorsqu'il avait visité le Niger en découvrant tout ce que nous avons comme jeunesse. Il dit que c'est vraiment une potentialité que nous avons. En même temps, il disait que nous sommes assis sur une bombe. Oui, parce que sous-entend que les jeunes doivent être à l'école, mais s'ils sont dans la rue, alors ils vont constituer vraiment une menace véritable euh, pour euh, l'existence du pays. Et euh, aucune nation ne peut se développer sans ressources humaines. Aujourd'hui, vous voyez, au Niger, nous avons presque toutes les ressources qu'il faut pour se développer. Nous avons le pétrole, nous avons l'uranium, nous avons le charbon, nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons. Mais nous sommes toujours classés derniers. Vous voyez, donc il nous faut, il faut que nous trouvions, euh, que nous trouvions donc la solution donc, euh, à ce problème-là, celui-là que tu viens de poser. Il faut que ces jeunes gens-là, qu'on arrive à trouver les voies et moyens qui devront nous permettre euh, de pouvoir les maintenir à l'école et de pouvoir euh, les aider à continuer et à, étudier. Et, je vais simplement, à ce niveau, faire une proposition au gouvernement. Parce que j'estime qu'au Niger, euh, nous avons une difficulté dont on ne regarde pas en face, on, on l'écarte. C'est quoi L'éducation est transversal. Les problèmes de l'école, pour pouvoir les régler, si véritablement nous voudrons sortir, il faut que nous prenions les problèmes du primaire à l'université. Le directeur vient de le dire. Il l'a dit simplement sans, vexer le primaire, mais en disant que eh, eh, les élèves qui viennent de l'école primaire viennent avec un mauvais niveau. Ces enfants qui viennent, qui n'ont pas de niveau, il l'a précisé tout à l'heure, le directeur disait que un tiers redouble, un tiers exclut, un tiers passe. Mais c'est désastreux. Lorsque des élèves arrivent en classe de 6e, on doit avoir au minimum 50-60% des élèves pour continuer le cycle. Mais si déjà nous n'avons qu'à peine 30% qui passent, c'est un problème. Et vous voyez également les élèves qui sont admis au BEPC, la première année du lycée, également, vous allez voir que un grand nombre de ces élèves, comme le SG l'a dit tout à l'heure, le SG de SNES, il disait tout à l'heure que, vous voyez, quand un élève est, repêché au BPC e et qu'il passe avec cette de moyenne, la chance pour lui de pouvoir supporter est, est minime. Donc, vous voyez, donc il faut que nous puissions nous asseoir pour examiner ce problème du primaire au collège, en passant par le lycée et à niveau à l'université pour trouver les solutions qu'il nous faut pour pouvoir adapter ça au niveau de notre système. Mais les bricolages que nous sommes en train de faire au niveau, donc, euh, du moins ce que le gouvernement ou que le ministère sont en train de faire, alors vraiment ne peut pas permettre de régler les problèmes de l'école. Il faut qu'on s'asseye et que vraiment on mette en contribution les techniciens de façon transversale du premier à l'université, pour qu'on examine les, problèmes et qu'on trouve les solutions idoines. Monsieur le directeur Amartak Adam, euh, quels sont vos conseils, recommandations pour euh, remonter la pente oui, bon, nous, au, niveau du ministère, nous avons euh, entrepris un certain nombre donc euh, d'actions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette évaluation-là. Il y a euh, aussi la production de manuels, un, des problèmes importants de, notre système, c'est que les élèves ne disposent pas de manuels adaptés. Donc on n'a pas de manuels, on ne produit plus de manuels. Depuis longtemps, on a cessé de produire de manuel on va sur le marché, on achète des manuels qui ne sont pas vraiment adaptés à nos programmes. Donc ça, c'est vraiment une, autre action que le ministère envisage de faire. Et il y a aussi euh, donc euh, la réforme curriculaire. Donc il y aura euh, les programmes qui vont être revus, révisés vraiment pour faire en sorte qu'on ait des programmes qui répondent vraiment à nos besoins de formation. Donc ça, c'est un certain nombre d'actions, en plus donc de l'évaluation dont je parlais tout à l'heure. C'est des actions que le ministère envisage de faire, entre autres, euh, pour vraiment faire en sorte que euh, le système s'améliore. Euh, Vous avez un message à lancer à l'endroit des parents d'élèves surtout Oui, à l'endroit. Non, bon, moi je suis parent d'élèves, donc je sais, je suis enseignant de formation, je sais vraiment ce qu'enseigner nécessite vraiment, euh, au niveau des parents, là, il faut qu'ils s'y mettent dans la formation de leurs enfants, de nos enfants, parce qu'ils sont nos enfants à nous tous. Pour, pour les enseignants, moi je me dis que pour rendre service à, notre pays, là, il ne faut pas se dire que euh, je n'ai rien à faire, je vais aller enseigner. Je ne peux pas enseigner. Tant que je ne suis pas formé pour enseigner, je ne peux pas le faire je ne me rends pas service, je ne rends pas service à mon pays si je me décide aujourd'hui, sans formation, de venir enseigner. Je vais enseigner quoi hein? Vraiment, il, faut faire en sorte que les, enseignants, bon, ils y sont déjà pour les contracteurs qui ne prennent pas de formation. Il faut que l'enseignant se forme. Hein. Même si tu as fait une école de formation là, arrivé sur le terrain, tu vas trouver une situation qui va faire en sorte que toi-même, tu seras obligé de te former pour faire face donc euh, au travail. Donc les enseignants, là, ils doivent se former. Si tu cours à gauche, à droite, à gauche, à droite, tu ne peux pas enseigner. L'enseignement, là, vraiment, c'est quelque chose pour lequel on doit donner sa vie, hein. comme l'a dit tout à l'heure, là. C'est à 100%. Tu te mets soit à 100%, soit tu ne te mets pas ce qu'il faut retenir, c'est que le mal-être de l'école nigérienne ne date pas d'aujourd'hui. Les principaux responsables qui sont euh, les gouvernants, le corps enseignant, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes se rejettent mutuellement la faute. Le mauvais résultat des différents examens doivent interpeller l'ensemble des acteurs du système éducatif nigérien. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Amarzak Adam, directeur des examens et concours au ministère des Enseignements secondaires, Alio Hassan Samna, membre euh, du conseil d'administration de la coalition des ONG, associations et syndicats du secteur euh, de l'éducation pour une éducation pour tous à SOEPT, et Moussa Adamou, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire SNES e Niger. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio qui vous parviennent grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.